le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 8 de 15 minutes, c'est l'heure du Forum de la presse qui allait tous les vendredis soirs. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite ou audiovisuelle pour décortiquer l'actualité de la semaine. Si vous nous écoutez en ce moment, sachez que c'est en partie grâce à notre réseau de radio partenaires 31 au total diffusant chacune en direct les programmes du studio Kalangou dans sa zone d'implantation. Les pensants du forum de la presse de ce soir, les acteurs de la société civile membres d'Actis Niger qui sont détenus après la marche du 29 octobre dernier ont été déclarés non coupables ce matin. Abdelaziz Abbas et ses deux camarades devront recouvrer leur liberté dès ce soir. Et puis nous parlerons dans ce forum de la vacance du poste de président de la Haute Cour de justice occupé par Karijo Mamadou et son remplacement par son suppléant. Mardi passé, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui constate cela. À suivre également dans le forum euh, de ce soir l'acte de vandalisme commis sur les véhicules du groupe de presse Bonferré dans la nuit du lundi au mardi 21 novembre dernier. Les vitres de trois véhicules ont été brisées. Enfin, nous parlerons de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, en l'occurrence la, vente de migrants africains en Libye comme esclaves. Autour de la table pour en parler, nos confrères, Arimi Abba, qui arrive journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir. Présentation de cette émission à l'Assange Kouzi Mahmoud. Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, merci de rester fidèles à ces programmes. Bonsoir à tous et bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 24 novembre 2017. Nous débutons le forum par le décès de Moussa Moumouni Jarmokoy, président du parti, du parti ANDP Zamalahia et président du Conseil économique, social et culturel CESOC. De ce survenu le 19 novembre dernier à Paris, la levée du corps du défunt a eu lieu hier matin à la morgue de Niamey en présence du président de la République Issoufou Mahamadou, des membres du gouvernement, des parents et amis, et connaissances. Il a été inhumé dans sa ville natale à Dosso. Alors je m'en vais commencer avec vous, Arimi Abba. Qu'est-ce que vous retenez de lui comme trait de caractère, Moussa Moumouni Jarmakoué ben, Écoutez, euh, comme beaucoup de Nigériens, euh, c'est d'abord l'occasion d'adresser vraiment nos condoléances euh, les plus attristées euh, à sa famille, à sa famille politique et à tous les Nigériens. C'est quand même le président d'une importante institution qui s'est éteinte. moi, ce qui, je me rappelle surtout de, l'assassinat du président Barré, il était en déplacement et ce qu'on nous a dit, c'est que la junte qui avait perpétré euh, le coup d'État et qui n'était pas euh, de s'assumer euh, durant au moins 72 heures avait fait appel à lui pour lui dire euh, de venir occuper le poste de président, de chef de l'État. Et il aurait calmement mais sûrement décliner euh, cette demande. Euh, D'aucuns euh, qualifient ce geste vraiment euh, non, ce n'est pas responsable, il aurait pu accepter. D'autres, aujourd'hui, après sa disparition, tout le recul permet de dire aussi que ce n'est pas quelqu'un qui aime la facilité. On peut tout de même retenir ça de, cette personne-là. Euh, il aurait pu sauter sur l'occasion euh, pour dire que, bon, il est président. Euh, tout le monde sait qu'il n'est pas là quand il y a eu le coup d'État, donc il ne peut pas avoir la main sale, même si en matière de coup d'État, on peut planifier ça. Ça, je retiens ça de lui mais aussi un de ses anciens éléments, le docteur Souleyaji m'a raconté un fait bon, anodin, mais qui est assez significatif, parce qu'ils étaient à l'époque euh, en service civique au Tandibia. Au, et, c'était Moussa Moke qui était euh, le commandant. Il a organisé une séance de tir où il a convié tous les officiers présents à Niamey. Euh, il devait tirer à l'arme lourde sur une cible. Ils se sont tous succédés et ratés. Et lui, avec le soutien de tous les lacrous parce qu'il l'appréciait selon ce qu'il m'a dit, lui, ils étaient euh, civiques mais il l'aimait finalement comme vraiment un vrai chef. Et d'un seul tir, il a atteint la cible. Et il dit, euh, une semaine après, Kunche était passé et il leur a dit, vous êtes entre de bonnes mains. Donc certainement au courant euh, de ce qui s'était passé. Ces deux euh, faits, je les soutiens et ça me rappelle tout simplement. Et voilà ce que je peux dire pour l'instant. Bien. Jafar Maman, un mot sur la disparition de Moussa mon ah Oui, euh, je me joins à, tous les Nigériens pour euh, présenter mes condoléances à sa famille, à sa famille élargie, comme l'a dit Arimi, sa famille politique euh, sa famille militaire, puisque étant euh, vu le rang et le rôle qu'il a joué, il ne peut pas, euh, on ne peut pas le dissocier de la, de la famille militaire du Niger mm-hmm. avec tout ce qu'ils ont accompli comme prouesse comme action de souveraineté et action républicaine et dont nous nous bénéficions de, du travail bien fait. Euh, je, depuis un certain moment, euh, depuis qu'on a annoncé son décès, il y a beaucoup de choses. On échangeait avec, avec beaucoup de ceux qui l'ont côtoyé. Et euh, pratiquement, c'est les mêmes. Hein, c'est le même message. C'est le message d'une personne qui sait ce qu'elle veut et pourquoi elle le veut. évidemment pour le bien commun, puisque l'acte qui vient de de rappeler Armi sur euh, lorsqu'il y a eu le coup d'État du général Barré et, significatif de la grandeur de, de l'homme. Mm. Euh, en dehors de ça, je pense qu'il euh, faut aller dans l'armée pour savoir que il a un nom très connu où il a un sobriquet de, qui, qui résume sa foi, sa croyance à sa religion, à son Dieu. Et là, c'est des, armes euh, qu'il faut reconnaître. Et du coup, on lui reconnaît aussi ce caractère, ce euh, euh, comportement patriotique, puisqu'il a, il a gravé pratiquement toutes les étapes troublantes que le Niger a, connu. connues. Et son comportement n'a pas changé. Le comportement d'un homme intègre, d'un homme qui aime le bien de son pays. Je pense qu'on ne peut pas reconnaître plus que ça. C'est quoi ce sobriquet vous vous rappelez encore oui, c'est bon, c'est un sobriquet que certains dans l'armée l'appelaient, euh, on le qualifiait peut-être, euh, le, il les rapproché du, du, prophète Moïse pour sa bonté, pour sa largesse. Je pense que ça s'est dit dans l'armée donc c'est un bon signe quand même. Sa disparition, un coup dur pour, pour son parti, la NDP euh, Au-delà, au-delà, c'est au-delà de son parti aujourd'hui. Au-delà de son parti, puisque euh, sa personne a, toute sa place dans, dans, euh, l'agencement, si vous pouvez l'appeler, le maillon de la chaîne des institutions nationales et et même des, des, sages de ce pays au sommet de l'État. Je pense que sa perte est ressentie euh, pratiquement au-delà de son parti. Issa Mourmadougou euh, tout d'abord, euh, je veux me joindre à mes collègues. je présente mes condoléances les plus adressées à sa famille, sa famille politique, à tout le Niger, parce que c'est une grande perte que son âme repose en paix. N'étant pas connu l'homme de près, les témoignages qui nous sont parvenus de sa vie est vraiment illustration d'un homme de bien d'un homme qui n'est pas attiré par le gain facile, d'un homme qui n'émerveille pas les, trucs anodins, genre quelqu'un qui aime la facilité, genre quelqu'un qui ne se bat que le bien, pour le bien matériel. C'est vraiment, c'est des mots vraiment très significatifs et des adjectifs très bien euh, euh, illustratifs qui sont vraiment euh, chaque fois qu'il sort euh, des, témoignages des uns et des autres qui l'ont côtoyé. Moi, je pense que c'est euh, une grosse perte pour le Niger, pour sa formation politique. Et aussi, euh, il faudrait que ceux qui sont aujourd'hui pour toute cette formation politique, que sa disparition ne soit pas aussi en même temps concomitante à celle de son euh, vraiment de son parti. Il faut que les l'idéal qu'il défend, il faudrait que vraiment les gens se ressaisissent qu'ils ont ce devoir aujourd'hui de perpétuer sa mémoire à travers les idéaux qu'il incarne dans sa gestion du parti et au-delà des valeurs qu'il a inculquées à, travers sa propre personne, des valeurs qui se trouvent déjà avec le, le, PFP à son âme lui aussi. Et maintenant, il faudrait que les gens vraiment eh, donnent l'exemple pour que ça ne soit pas eh, un sacrifice vain. Bien. Arimi Abba, le, l'ANDP Zamalahia, eh, n'est pas à sa première perte. Euh, en 2009, euh, décédé euh, le père fondateur du parti, fait Adam Mounijar Makoy un coup dur pour ce parti finalement. Ah certainement, euh, hein. certainement, parce qu'il y a eu quand même des tumultes. Il faut se le rappeler euh, à l'élection de feu euh, Moussa Et on espère que le parti euh, s'en remettra. Et vraiment, c'est l'occasion, une fois de plus, de se retrouver. Que ceux qui cherchent ce poste se disent aussi euh, qu'on est tous de passage. Et moi, je pense que c'est un parti important, en fait, la NDP Zamalakia Et donc, c'est pourquoi vraiment j'en appelle aux militants. Je ne partage pas les idéaux, je ne suis pas du parti, mais euh, tout, c'est un échiquier politique où ils ont un mot à dire, où ils jouent un rôle pour moi très important. Et euh, ils doivent consolider s'ils ne veulent vraiment pas euh, aller vers la perte vraiment du rôle important qu'ils sont en train de jouer. Et trouver quelqu'un peut-être qui reflète à quelques... Euh, euh, justement, ça c'est pour tous les partis, c'est valable pour tous les partis, d'avoir quelqu'un qui fait un consensus, bon tout le monde ne peut pas t'aimer, mais au moins qui fait le consensus, mmh. et qui est soucieux du bien-être du parti et de ce que le parti peut apporter sur l'échiquier politique, national. Donc, euh, j'espère qu'ils vont. Bon, c'est des personnes très averties mm. qui sont dans la politique euh, tout le temps, contrairement à nous qui regardons et qui apprécions. Mm. J'espère qu'ils vont vraiment pouvoir euh, se relever très vite. Euh, alors, sur un tout autre plan, le verdict rendu ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey dans l'affaire des trois acteurs de la société civile membres d'Actis Niger qui sont détenus après la marche du 29 octobre passé. Abbas Abdelaziz, Tanko, Abdoulaye Haruna et Djibo Issa ont été déclarés non coupables pour rappel, lui et ses camarades étaient poursuivis pour participation à une manifestation interdite, attroupement armé, vol et complicité de vol. Alors, Jafar Maman, comment vous avez accueilli cette nouvelle Oui, je, <clears throat> je pense que pour une fois, quand j'ai entendu les charges, euh, j'étais un peu pessimiste. Mais cela nous donne euh, euh, l'espoir d'une démocratie qui a comme levier une justice qui se bat pour être indépendante, pour jouer son rôle dans la sphère euh, politique que la nôtre dans la sphère euh, démocratique. Et il, il y va de la construction de notre euh, démocratie qui, a, qui, est jeune et qui a pris beaucoup de coups. On le sait depuis euh, la conférence nationale. Donc, ce genre de, de procès, ça réconforte la démocratie et les acteurs. Et en même temps, ça nous interpelle à aux actes citoyens. Je pense qu'il ne faut pas isoler euh, ce qui s'est passé, euh, puisque ces acteurs-là, au dernier moment, ils avaient eux-mêmes senti le danger que la, la, marche qu'ils avaient prévue pouvait dégénérer. C'est déjà euh, une sorte de mea culpa qui prouve que ils ne sont pas euh, on, ne peut pas peut-être leur ôter, leur euh, coller directement ce qui s'est passé. La responsabilité, je l'ai dit sur ce plateau, c'est une responsabilité partagée puisqu'il y a la, il y la partie euh, pouvoir public qui est censée garantir dans ce genre de situation, encadrer. la marche. Mais c'est de tirer aussi, au-delà de ce procès, c'est de tirer les leçons citoyennes de nos actions à, venir et de savoir euh, quand est-ce que on peut jouer pleinement ce rôle Parce que la marche avait comme vocation euh, d'informer les citoyens euh, face à une situation que peut-être beaucoup ne percevaient pas sur le contenu de la loi de finances. Et elle avait toute sa place, cette marche-là, puisqu'elle a un rôle un d'éclairer les citoyens sur ce, que, ce qui est leur devoir, puisque la loi, lorsqu'elle est adoptée, elle, elle, elle s'impose, elle, doit s'appliquer à, tous les citoyens. Et c'est dans ce rôle-là, citoyen, qu'il faut inclure l'action de, ces acteurs de la société civile. Issa Amor Madougou, de la radio-télévision Ténéré, quelle analyse vous inspire finalement à la libération d'Abdelaziz Abbas et ses camarades je crois bien qu'il faut se dire que d'abord, il ne faut pas que les gens soient toujours pessimistes par rapport aux décisions de justice. Quand vous êtes devant les tribunaux, ayez foi, parce que c'est le dernier rempart du citoyen il faut à la justice et il faut pas qu'aujourd'hui aussi les gens se mettent dans cette euh, position quand la justice n'est pas rendue à votre faveur, vous pensez que la justice est manipulée, mais quand la justice est rendue à votre faveur, vous criez haut et fort. Mm-hmm. Mais moi, je pense qu'il faudrait toujours dire qu'au Niger, on a une justice indépendante. Tout le monde sait le contexte dans lequel on, on s'y trouve, avec les différentes tentatives de manipulation de la justice par le pouvoir. On a toujours eu vraiment des jugements tout à fait vraiment justes si moi je, je, je, le, je le pense ainsi parce qu'il faudrait voir. Dès le jour de la marche, tout ça qui a été dit, qui est d'ordre de sanctions administratives, a été vraiment eh, la feuille de route dont le ministre avait parlé, la dissolution, l'arrestation, tout ce qui est déjà administratif qui peut être exécuté directement ont été exécutés. Mais voyez-vous, quand c'est passé devant la justice, et moi j'ai assisté au procès euh, le jour du, procès de, fond, le vendredi passé. et quand même le, <laughs> le procureur avait requis 5 ans le code pénal même, la peine, maximale requise pour ces genre de chef de l'accusation, c'est 4 ans. Donc, on sent qu'il y a vraiment euh, quelque chose qu'aujourd'hui la justice nigérienne veut montrer aux Nigériens, que les Nigériens croient en eux, que ces magistrats, même si les gens pensent qu'ils sont corrompus, ce n'est pas tout le monde. Par exemple, dans un sac de grains, quand il y a quelques grains pourris, ce n'est pas tout le sac qui n'est pas consommable. Il faudrait vraiment être réaliste par rapport à, ça. Et moi, je pense que cela aussi doit dire que euh, au Niger, il ne faut pas que les gens voient les choses de travers. Il faut voir au fond. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 Vous voyez, c'est le contexte actuel qui a fait dégénérer cette euh, manifestation. Parce qu'il y avait déjà cette crise c'est une situation qui étouffait les Nigériens. Les Nigériens avaient envie de le dire. Donc il y, avait, a eu cette occasion. Il eu cette occasion et ils ne peuvent pas. Eux-mêmes, ils ont été violentés. Eux-mêmes, ils ont été violentés sur le, terrain. Donc voyez-vous, il ne faut pas que les gens essayent de voir que non, euh, c'est peut-être il faudrait aussi, Giafar l'a dit, il faudrait un peu voir l'acte citoyen. Parce que il y a, c'est pas tout le monde qui est pris d'un esprit citoyen au Niger. Il y a des gens qui sont des adeptes du vandalisme, il y a des gens qui sont adeptes de, l'anarchie, il y a des gens vraiment qui sont vraiment des, ambassadeurs du patriotisme. Ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans ce calcaire. Il y a des gens aussi, c'est des ignorants. Et quand on est ignorant, on est capable de tout, d'être manipulé, d'aller à l'encontre des lois du pays. Et c'est ça qui est dangereux. Moi, je pense que cette décision témoigne une fois de plus que nous pouvons croire. Il faut le croire que nous avons une justice indépendante parce qu'il faudrait voir dans d'autres pays ce qui se passe. On vous amène directement le même jour, on vous condamne. Et les gens pensent que non, la justice, euh, voilà, quand on parle parfois, moi je suis vraiment sidéré quand j'entends des propos de certains Nigériens par rapport à la justice nigérienne. Quand les gens pensent la, leçon, à retenir, la, leçon à retenir que c'est qu'il faudrait que arrêter de jeter du de jet de discrédit sur la, justice, nigérienne. Parce que vraiment, moi, j'ai foi à la justice nigérienne et je sais que l'indépendante, même s'il y a des grains pourris, ce n'est pas tout le monde. Bien. Arimi Abba, la semaine passée, lors du jugement, donc euh, tout à l'heure, Issa l'avait dit, le procureur avait récu euh, contre eux la peine d'emprisonnement de 5 ans plus une amende de, 100 000 francs. Êtes-vous surpris, finalement que ces acteurs soient blanchis et puissent s'en sortir Moi, sincèrement, oui. Euh, sincèrement, oui. Et euh, on est en droit aussi de, douter euh, quand il s'agit vraiment de la liberté de personnes. parce que ces personnes pouvaient être chez eux et le jugement pouvait peut avoir lieu. Mais ils ont été quand même incarcérés tout ce temps, ce n'est pas rien déjà. Euh, voilà, ça fait, ça fait un mois euh, pratiquement. Donc, ces, personnes euh, ont été privées de leur chez et tout, et tout. Alors qu'ils pouvaient être euh, tranquillement chez eux et puis juger. Je me rappelle qu'on a dit dans ce studio que bon, c'est des Nigériens comme tout le monde et puis ils ne vont pas fuir pour mhm. que ça, quoi. Mhm. Donc, bon, c'est normal qu'on doute. Parce que euh, d'abord, on n'a pas une maîtrise parfaite des textes, nous ne sommes pas les juges, et c'est des personnes, des êtres humains qui vont décider, euh, parce qu'on s'est attendu euh, deux fois à ce que la personne soit libérée, mais qu'elle est emprisonnée, même si c'est à une peine moindre. Maintenant, par rapport à cet aspect précis, je ne sais pas. Qu'est-ce, il y a une décision administrative grave qui a été prise, celle de euh, dissoudre, si je ne m'abuse, de, leur, association, leur association. Uh-huh. donc, vu qu'ils ont été innocentés, eh naturellement, la décision qui doit suivre, c'est de réhabiliter cette euh, association qui a son, son, rôle à jouer dans l'échiquier euh, associatif maintenant euh, nigérien. je pense que c'est à cela qu'il faut penser. Au-delà, au-delà, il y a eu des actes graves qui ont été posés ce jour-là. Nous, nous avons parlé ici qu'il faut qu'il y ait une enquête, n'est-ce pas Qu'on sache alors qui a posé ces, actes-là. Mhm. D'aucuns parlent de manipulation, certains euh, disent que non, c'est les organisateurs eux-mêmes qui ont amené à ça. Aujourd'hui, les organisateurs sont euh, innocentés. Mhm. Y a-t-il eu manipulation Y a-t-il infiltration, infiltration C'est bon de le savoir, mais aussi la situation claire des dommages causés. Mhm. Parce que ce qu'on nous a donné juste au lendemain de cette manifestation, ça semblait quand même énorme. On, nous parlait d'une dizaine de véhicules de la police, mais quand même. Mais les gens à 10 milliards. qu'ils avaient même brûlé le trésor public. Ah. Parce que là, comment trouver. Parce qu'il y a. Je ne coupe pas la parole, oh. juste pour ajouter, il y a quelque chose qui s'est passé dans le procès. Même le groupe Oriba Petroleum qui avait demandé euh, des dommages. Qui s'est retiré avant le délibéré, s'est retiré c'est qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Donc, c'est qu'on avait dit auparavant qu'il y a des soupçons qu'il faudrait une enquête pour vraiment si on veut de, la paix, si on veut d'une accalmie, il y a des exagérations, ce n'est pas la peine de les créer, à mon avis. Mhm. Et il y a eu de l'exagération, et voilà ce à quoi ça peut. Vous voulez dire dans l'estimation des Non, à mon avis, à mon avis, c'était vraiment à main levée, à la louche, comme on dit. Hmm. Euh, euh, en plus d'être euh, déclaré non coupable, le juge a ordonné la restitution aussi de la maison et de la voiture de Blaise Abbas qui ont été euh, confisquées. Mais c'est logique, non S'ils ne sont pas responsables, n'est-ce pas Là où sa famille dort, on ne peut pas lui arracher ça tout de suite. C'était certainement des mesures préventives. Aujourd'hui, il est innocenté, naturellement, il faut le restituer. Et puis maintenant, chercher les coupables de tout ce qui, ont, a été posé comme acte négatif. Oui, même, parmi même les, gens qui ont été arrêtés, les, les jeunes là, il y a beaucoup qui ont été libérés en même temps. Il y a d'autres qui ont été vraiment condamnés. Donc, ce qui veut dire que moi, ce que je, je, déplore dans cette affaire, c'est qu'il y a eu de l'abus, l'abus du pouvoir. Franchement, on, on, dit et on l'exécute. Et, on sans, sans preuve. Il ne faut pas que. dans un pays, dans un état de droit, il faudrait que. Il faut pas faire de la frustration un moyen pour faire taire les gens. Non, utiliser vraiment des outils objectifs faire une enquête il y a eu des éléments d'appréciation pour que les uns et les autres puissent comprendre un peu le respect en quelque sorte d'un certain nombre de procédures. Mais oui, mais on se demande même parfois quel est l'objectif même. Parce que regarde tout ce, ce, bouquin qui a été fait au lendemain de leur arrestation. On a vu des gens qui sont sortis pour soutenir sans preuve, sans preuve, l'avis du ministre. Or que le ministre même, c'est le jour qu'il a fait son point de presse, c'est qu'il avait détalé sur les organisateurs de la marche, nous, pensons que, honnêtement, en quelques heures, juste parce que c'est dans la matinée que les événements se sont déroulés, et juste la nuit, même si c'est des enquêteurs de la CIA ou bien du NSA ou bien du FF qu'on ils peuvent pas conclure une enquête en quelques heures. Mmh. S'il vous plaît, quand même, il ne faut pas que l'exagération soit au centre de certaines décisions où on n'est pas capable de maîtriser ses émotions. Je pense qu'il faudrait mettre la lucidité et certaines valeurs qui, font de nous vraiment une communauté. Alors, quel, avenir vous entrevoyez euh, pour ces acteurs dont l'association a été dissoute Ils sont grandis maintenant. Euh, Ils sont grandis. Ils peuvent attaquer la décision devant le Conseil d'État. Maintenant, ils peuvent être, mais ils sont grandis aujourd'hui. On a fait la publicité gratos pour ces gens-là aujourd'hui. Actifs, artistes eh, <laughs> aujourd'hui. Ils ont posé, euh, un acte important, c'est que c'est eux qui ont quand même demandé euh, l'autorisation d'organiser cette manifestation. Mm. Et justement, c'est du rôle des associations de faire ça. Mm. Maintenant, si une association n'est pas capable, hmm. parce que, euh, bon, ces dirigeants ont peur d'être arrêtés ou d'être quoi, mais ils n'auront jamais cette porte de sortie, justement. Hmm. c'est comme ça, c'est une association qui s'est assumée et qui a le retour. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, au-delà, il y a quelque chose qu'il faut qu'on se le dise. Hmm. Quand il y a une manifestation de masse, j'entends dire les gens ne sont pas patriotes parce qu'ils ont cassé ceci, parce qu'ils ont attaqué cela. Mais ça, de tout temps, de l'Égypte ancienne à aujourd'hui, une manifestation peut toujours dégénérer. Et ça dépend du degré de mécontentement des manifestants. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Niger qu'on peut casser un feu optique. Non, c'est parce qu'on aime le Niger et qu'on pense qu'il y en a qui font pire et que je ne peux pas atteindre. Donc, je les gens, personne les gens... à le faire, mm-hmm. mais quand il y a une manifestation, c'est vraiment, je trouve à la limite absurde qu'on se dise que non, ces élèves ne sont pas patriotes. Ils ne savent même pas ce que leurs parents ont acheté. Ils sont en train de casser. C'est la tradition d'une manifestation qui mène souvent a installer des régimes démocratiques. Aujourd'hui, les gens sont en train de bénéficier, mais c'est des actes comme ça qui ont été posés, pour les amener. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre dans un état de, quasi-hérésie une masse qui a envie de se défouler. Mais on met en place un budget euh, qui est, euh, que tout le monde condamne. Les gens sortent, mais on peut s'attendre à tout. Mmh. plus que ça. Tout, à fait. Et puis, pour ajouter quelque chose, euh, parfois, quand ça dégénère aussi, il faudrait voir que les gens ont tenté plusieurs moyens. Donc, ils pensent que c'est la seule solution pour se faire, c'est entendre, même dans les pays développés. Vous avez vu la semaine passée euh, à Paris, une marche de protestation, on allait revenir sur le sujet, a mm. dégénéré. Ah, oui, oui, oui, oui tout à fait, c'est ça, oui. Oui, nous, allons continuer. Jafar Moman. Euh, donc on a vu euh, cette décision de justice qui blanchit les acteurs d'Actis Niger, organisateurs donc, euh, de la marche du 29 octobre. la logique voudrait que l'association, leur association qui a été dissoute, par euh, le ministère de l'Intérieur puisse être réhabilité. Est-ce que vous pensez que cette possibilité est envisageable <coughs> Bon, c'est, je pense qu'il y a deux niveaux de, de, décision. Il y a la décision de justice qui les blanchit et il y a une décision administrative qui dissout l'association. Maintenant, euh, lorsqu'un acte de ce est pris, il y a toujours une procédure pour entrer dans ces droits. Je pense qu'ils ont une procédure ce euh, c'est pas automatique du fait qu'ils ont blanchi, ils peuvent automatiquement mhm. reprendre leur association. Mais la procédure est claire du moment où, euh, aux yeux de la justice, euh, ils sont blanchis, ils peuvent réclamer, ils peuvent dénoncer la dissolution comme étant illégale. Mhm. Puisque si les arguments qui ont été mis au devant, c'est parce qu'ils ont, ils ont manifesté et qu'il y a ICAS, eh bien, la justice a démontré qu'ils ne sont pas, responsables, de ce qui est arrivé. ça parlait eh. tout à l'heure des recours devant le, le Conseil Oui, il y a des possibilités. Je ne maîtrise pas les recours. je sais qu'il y a un recours administratif, justement, puisque c'est un acte administratif. On mhm. peut, on peut l'attaquer. Euh, puisque le ministre de l'Intérieur étant euh, le ministère de tutelle qui donne, euh, qui autorise l'exercice, mhm. Donc, il peut arrêter l'exercice, mais il y a toujours une, voie de, recours. une voie de recours. voilà. il, y a, quelques jours que toute autorisation, même pour la dissoudre, vraiment, il y a des étapes, des procédures entamées. Est-ce qu'il y a des manquements Mais quand même, il, de oui, a été à la va-vite Non, parce qu'avec avec l'annonce et la dissolution, l'acte de dissoudre, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'il oh, y avait, il, y avait vraiment euh, un procès verbal pour dire que Actis Niger depuis sa création, voilà, conformément au texte, n'a pas respecté ceci, n'a pas respecté cela. Non, on a dit, on a annoncé, et le lendemain, on a passé à l'acte. C'est ça qu'aujourd'hui, ils sont dans le plein droit d'attaquer ce cet acte administratif devant le Conseil d'État. Euh, autre point du forum de ce soir, le poste vacant de président de la Haute Cour de justice pour vie. Pour rappel, après la nomination de Karidjo Mahmoud au sein du gouvernement, son poste est resté vacant et devrait être occupé par son suppléant de l'Assemblée nationale. Une première lettre du président de l'Assemblée nationale adressée à la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de poste et son occupation par le suppléant a été jugée irrécevable par la Cour constitutionnelle pour vice de forme. Après correction et renvoi de la lettre, la Cour constitutionnelle a finalement rendu un arrêt en date du 21 novembre. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle constate la vacance du poste de député occupé par Karidjo Mamadou et dit qu'il est remplacé par son suppléant Abdoukrim Moulay Zedan. Alors, euh, Arimi Abba, qu'est-ce qu'on en sait de, son suppléant, Abdikrin Moulay Zaidan, le suppléant de Mamadou Karidjo euh, Sincèrement, je ne le connais pas. Euh, je ne le connais pas, mais je trouve que c'est normal. Bon, quand il y a une vice euh, vis, de, de forme, c'est normal aussi que la demande du président de l'Assemblée, je ne sais pas exactement. Euh, parce, que ces, derniers devaient, euh, devaient la, lettre devait être envoyée au nom du bureau de l'Assemblée et non directement pas au nom du président. Ok, et donc ils ont rectifié. Bon, ben, écoutez, quoi qu'il en soit, normalement, c'est aussi quelqu'un qui a déjà fait euh, toute la procédure pour être député, parce que avec le dossier du député, le dossier du suppléant aussi fait le même parcours. Et justement, euh, en blaguant, on dit bon, chaque suppléant souhaite que <laughs> son son, titulaire ne soit pas voilà bouge. Et là, lui, euh, c'est une manne qui lui est tombée dessus. Et bon, il va le remplacer. Maintenant, je ne sais pas personnellement, comme d'ailleurs pour beaucoup de députés, de qui il s'agit, quoi. Euh, euh, Jafar Maman, vous, vous en connaissez quelque chose de Abdelkrim Moulay Zedan qui pas remplace euh, euh, Karijo Pas du tout, pas du tout. Je pense que il, il, est un inconnu, c'est ce qu'on peut, c'est ce que je sais de lui. Il n'est pas, il n'est pas tellement connu du, du public, il n'est pas dans les arcanes ou dans les cercles des politiciens connus. Ça veut dire que, bon, c'est peut-être un jeune, on ne sait pas. En tout cas, un jeune politiquement. Mais euh, j'ai cru comprendre qu'il faut préciser qu'il ne, remplace Karouge qu'au poste de député, de député pas au poste, de la haute cour de justice. Voilà. Euh, moi, je euh, pense que c'est la Cour constitutionnelle dans son premier arrêt, c'est juste pour dire que vous n'êtes pas vraiment dans la forme qu'il faut revoir les choses. Euh, et maintenant, on a revu et c'est passé. Moi, ce que je, peux dire par rapport à cela, c'est qu'il faudrait que euh, aujourd'hui nos institutions prennent le sérieux dans leur correspondance quand il y a des correspondances entre les institutions, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Nous sommes dans un État. Nous ne sommes pas dans un no man's land. Quand vous faites des actes administratifs ou bien des lettres administratives, prenez le son de respecter la procédure. Parce que cela, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois que le, bureau en demande à la Cour constitutionnelle pour constater la vacation de poste. Il y a eu combien de députés il y a, euh, euh, combien de députés qui sont partis mais il ne faut pas que chaque fois euh, on montre que c'est ceux qui sont censés nous donner l'exemple, le bon exemple, c'est eux-mêmes qui ne respectent pas les procédures. C'est cela, parce que les gens, nous sommes, des, nous sommes des humains et nous copions ceux qui sont devant nous, le plus souvent. Si eux, ils sont dans l'erreur, et c'est que la majorité, même si on est, c'est pas tout le monde qui va être induit en erreur par eux, il faudrait qu'eux aussi, ils prennent le soin de montrer l'exemple par rapport à ce qui existe, la norme de respecter les normes et de montrer que nous sommes vraiment dans un État ordonné et que l'ordre doit être au rendez-vous de chaque euh, prise euh, de, position ou bien de décision. Alors, dans les jours à venir, on doit s'attendre à ce qu'un nouveau euh, président de la Haute Cour soit, évidemment, évidemment. Est-ce que vous voyez déjà qui c'est la de, Non, de toutes les façons, depuis moi, je, cette cour... On a vu que, c'est vraiment un poste quand même qui est, qui très court. moi, pour moi, à mon avis, c'est vrai, vu c'est que les textes que, consacre cette institution, vraiment, elle devrait jouer un rôle très important. Mais depuis l'avènement de la démocratie, donnez-nous un seul exemple de cas vraiment que la qui cour a été jugée par, jugé par on parle de haute tradition les, gens gens font fi de ça on parle de ceci et cela et il y a même des fautes que qui sont constatées par-ci par-là euh, mais est-ce qu'on a eu de suite Donc moi, je pense qu'il que il faudrait tous récompenser les politiciens dans leur que ce soit ou ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou bien ceux qui sont à l'opposition, quand ils vont revenir, c'est la même chose. Ils vont toujours récompenser leurs militants. tu voulais bah, dire quelque oui, Oui, moi je pense que le, départ de Kerry, je pose, euh, puisqu'on parle de son, de son poste de haute cour de justice, euh, pose un débat euh, ou devrait susciter un débat parce que est opportun, c'est la, le rôle que joue cette institution quand on parle de la haute cour de justice et qui, elle quand on voit qui sont sa matière pour exercer et pour exister, je pense que c'est des gens qui ont géré, c'est des personnalités qui ont géré des grandes responsabilités. Euh, tout à, tout à l'heure, Arimi, en faisant le, le, avec la manifestation, de casser une ampoule et, et ce que peut causer par exemple, une, autorité. dans l'exercice de, sa fonction, euh, c'est très grave. C'est des délits assimilés à, des crimes, comparés à, la, destruction d'une ampoule. Et lorsque cette institution qui est censée les gérer est, prise pratiquement à la légère, où elle est là, elle existe tout juste euh, pour, comme on dit, pour installer les institutions démocratiques, puisque c'est tout ça, hein, elle est là tout simplement pour euh, compléter le chapelet euh, institutionnel dans un contexte démocratique. Moi, je pense qu'elle doit jouer un rôle assez important, puisqu'on a vu dans beaucoup de personnalités qu'elle est censée juger, mise en cause. Il nous reste des sujets, nous, nous avons que huit minutes à passer ensemble. Parlons à présent du groupe de presse Bonferré, victime de vandalisme. En effet, dans la nuit du lundi au mardi 21 novembre, les vitres de trois de ces véhicules ont été caillassées et brisées aux environs de 3 heures du matin. Euh, je vous propose d'ailleurs de suivre le témoignage euh, du gardien de la télévision Bonferré, Umaru Mukela. Avant de me surprendre, il a d'abord entassé des pierres et s'est mis à jeter les pierres sur les vitres des véhicules. Je me suis immédiatement levé pour le pourchasser. Il était seul et à pied. Peut-être ce n'est pas une seule personne, je ne peux l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que moi, celui que j'ai vu, il m'a jeté une pierre sur la tête et m'a blessé. Il s'est enfui et je suis revenu à mon poste. Est-ce que c'est pendant que je le pourchassais que d'autres personnes sont venues Ce qui est évident, il s'est préparé avant de commettre son forfait car il s'est mis à casser les vitres des trois véhicules motay inza euh, Arimi comment vous analysez ce, cet acte Un cas isolé ou euh, un, acte prémédité Bon, euh, bon, un acte prémédité, euh, c'est sûr, parce que le monsieur s'est préparé à une heure si tardive pour, pour venir poser son acte n'est-ce pas, avec son arsenal et tout. Maintenant, euh, qui peut être derrière ça C'est ça l'enquête doit pouvoir euh, déterminer. Mais euh, sachant sachons que c'est un signal fort. c'est un signe que vraiment notre démocratie a des problèmes parce que c'est un média qui est attaqué. Que qui ce soit, c'est nous, nous disons que c'est pour menacer c'est pour faire taire. Par rapport à quelle affaire, par rapport à quoi euh, Sincèrement, actuellement, il est difficile euh, de le savoir. Mais euh, qu'on fasse attention, qu'on fasse attention, on joue avec du feu à une certaine époque, des médias ont connu cela aussi dans ce pays. Même une imprimerie a été euh, voilà, saccagée et tout. Mais vraiment, ne retombons pas dans ce travers. sachant mhm. Sachons raison garder. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de prévenir ces jardins ben, Écoutez, c'est de sensibiliser. Euh, maintenant, ils avaient un gardien. Ça m'étonne qu'il n'y ait qu'un seul gardien dans toute cette zone je ne sais pas pourquoi c'est lui seul qui a réagi. Il faut bien sûr euh, renforcer euh, vraiment les moyens propres, mais quand euh, c'est des groupes plus puissants qui décident de vous atteindre, y compris vos gardiens, ils peuvent vous atteindre. Jafar Maman, des moyens de prévention de, de ce genre de situation. Oui, Armi l'a dit, le moyen de prévention, c'est d'abord la sensibilisation. Il faut que les citoyens acceptent de comprendre que les médias font du service public même si, euh, les opinions, même si vous ne partagez pas. Mais bel et bien, puisque même dans votre famille, euh, vous n'avez pas les mêmes points de vue, mais acceptons que dans la communauté, vous ne pouvez pas avoir le même point de vue, et surtout qu'ici, on parle de service public. L'autre aspect, c'est la question de la sécurité des médias. Je pense que ça fait débat euh, dans le contexte de nos pays actuellement, mais il faut toujours penser. Au... Je pense que il faut même aller vers euh, la présence de, forces de, sécurité d'un certain euh, au niveau des médias. Pourquoi pas c'est, Puisque c'est des services publics. Je... Euh, rapidement un mot sur ce, sur Moi, je pense que ce qui vient de se passer à Bonferré, il ramène sur la table la question de la protection des journalistes et de leurs biens. Par exemple, maintenant, c'est ce que les deux confrères ont dit. Il faudrait sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que les médias, malgré leurs opinions, parce qu'il faudrait la pluralité, il faudrait, dans une démocratie, il faudrait prôner la pluralité des opinions. Et il faut amener les gens à comprendre qu'ils font du service public. Moi, je pense que cet acte est condamnable. Il faut le condamner pour que ça ne puisse pas répéter, pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation dans les années antérieures où vraiment les libertés d'expression d'opinion étaient confisquées. On n'a passé par des méthodes vraiment qui vont qui vont contre les, dispositions de, de, de, toutes les conventions en matière de droits de l'homme qui s'est passé. Donc il faudrait qu'aujourd'hui on, on se mobilise parce que ce qui s'est passé à Montferré peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel média. Donc, vraiment, soyons très vigilants et il faudrait que les gens comprennent que vraiment, et nous les médias, il faut que nous assumons aussi nos responsabilités, que nous soyons responsables dans ce que nous sommes en train de faire, que nous comprenons notre mission, qu'elle est noble, que nous devrons vraiment l'amener à bon port, vraiment, sans pour autant euh, euh, dérailler. dérailler. Dernier sujet de, ce forum, la vente d'immigrants à Libye, un sujet qui fait euh, couler beaucoup d'encre et de salive un peu partout. Des informations concordantes font état d'atteinte à la dignité des migrants africains qui seraient vendus sur des marchés d'esclaves au Niger et un peu partout ailleurs. Des voix se sont élevées pour condamner cet état de fait. Alors, Ami Arimi Abba, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer une telle euh, barbarie, entre guillemets euh, Moi, j'ai une toute autre appréciation et naturellement, je prie euh, de rester comme ça. Je pose toujours, je me pose des questions quand il y a des scoops de ce genre souvent. Un, ce n'est pas un fait nouveau. Moi, j'ai fait un film en 2012 où déjà des migrants nous ont parlé de Guidambashi. Et Guidambashi, là où vraiment le migrant paye sa liberté, où ses parents lui envoient de l'argent du pays, où quelqu'un qui l'engage paye ou des amis ou des frères qui sont déjà sur place payent pour le faire sortir. Sinon, quelqu'un vient l'engager et ce quelqu'un-là veille à ce que cet argent-là soit payé. Et le montant qui a été donné tourne exactement autour de ce que la journaliste a, relevé de CNN. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir ici Moi, ce que je retiens, c'est que on veut utiliser cette situation ce cas qui a perduré, qui depuis longtemps, pour pouvoir nous amener à accepter que nos responsables, les autorités de nos différents pays s'engagent davantage dans la lutte contre le départ de nos frères et sœurs à qui on n'offre rien ici sur place. Euh, euh, Jafar, un mot en 15 secondes. Oui, je pense que la, le, ce de pratiques d'abord ne sont pas euh, ne sont pas nouvelles. Nous avons des frères, des grands frères, des parents qui ont séjourné dans ces pays-là. Il y a des cas isolés de, ces ce genre de pratiques où on vous fait travailler pendant des années. Lorsque vous demandez votre dû, on vous chasse ou on vous tue. Oh, ça, c'est connu. Maintenant, c'est aggravé par la dislocation d'un État. Et les gens qui ne savent euh, quoi faire pour avoir de l'argent se livrent à ce genre de pratiques. Ça veut dire quoi ça veut dire que a été favorisé aussi, on se rappelle Jafar, nous n'avons plus le temps, désolé, désolé, nous sommes, euh, nous sommes pratiquement à, la, fin du forum de ce, de ce soir. Nous étions avec Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus, Issa Morou Madougou, journaliste à la radio-télévision Ténéré, présentation à la sonde Cousi Mambandou. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les forums en langue nationale ce week-end, demain, samedi, avec Maman Ada en Hausa et dimanche avec Balkis Amidou pour le forum Azarma. Bonsoir.